le forum du studio le forum du studio Kalamkou le forum du studio Kalamkou le forum du studio Kalamkou le forum du studio le forum du studio le forum du studio le forum du studio le forum du studio le forum du studio 18h passé de 15 minutes à Niamey, les programmes du studio Kalangou se poursuivent. Madame, Messieurs, bonsoir et bienvenue à ce nouveau euh, numéro du forum euh, du studio Kalangou. Les émissions du studio Kalangou que vous recevez grâce à une vingtaine de radios partenaires disséminées un peu partout à travers euh, les huit régions du Niger. Notre débat de ce mercredi traite de quatre sous-thèmes majeurs, à savoir d'abord de l'épineuse question de la problématique de l'insalubrité dans la ville de Niamey, Ensuite, la problématique de la gestion des déchets urbains, puis l'insuffisance des caniveaux et les réponses urgentes face aux récurrentes, pas face aux récurrents phénomènes d'inondation dans certains quartiers de Niamey avec euh, nous ce soir euh, deux invités, à savoir euh, Adama Abdou, au directeur des services techniques et municipaux de la ville de Niamey. Adam Abdou, bonsoir. Nous avons également Monsieur Ousmane Dambadji, président du réseau nigérien des journalistes pour l'éducation Ranged et du REGEA, réseau nigérien des journalistes pour l'eau et l'assainissement, journaliste, acteur de la société civile, spécialisé dans les questions d'hygiène et assainissement. Ousmane Dambadji, bonsoir. Avant de rentrer dans le vif du sujet, on va écouter les réactions de quelques citoyens interrogés ce matin à Niamey. Niamey est très sale, tout le monde le constate. Maintenant, c'est à la mairie peut-être de gérer. Niamey est sale à qui la faute En tout cas, c'est pas la faute de la population, parce que la population ne peut pas faire certains travaux de la mairie. Sinon, pourquoi la mairie est là Pourquoi on a créé la mairie C'est son rôle, donc c'est pas aux citoyens de le faire. C'est pas une dignité pour un Nigérien qu'on constate que sa ville, sa capitale, en plus, est sale. C'est vrai, on a vu, il y a des ronds-points, on a, on a construit de, nouveaux ronds-points, tout ça. Mais du côté de l'assainissement, vraiment, beaucoup reste encore à faire parce que vraiment la ville de Niamey malheureusement est toujours vraiment aussi sale et franchement c'est désolant de constater cela. Il n'y a pas assez de poubelles et le peu de poubelles qu'il y a sont vraiment mal entretenues. Moi je peux dire notre capitale et ça parce que je viens de quitter Yamoussoukro en Côte d'Ivoire. Yamoussoukro vraiment on ne voit pas surtout les saletés qu'on voit ici. Et moi je trouve que c'est parce que même la population n'est pas sensibilisée. Imagine comment les gens sont en train de jeter les sachets n'importe comment. On n'arrive pas à sensibiliser les gens ou bien regarde comment nous ils sont en train de mettre de l'argent, mais il y a toujours du sable. Je suis encore un ingénieur des mines, donc je peux dire que le sable là, ça aura vraiment des impacts sur nos goudrons, parce qu'il y a l'altération qui est là. On sait bien que le sable là, c'est du corse, donc elle résiste beaucoup plus au gravier qu'on met pour faire les infrastructures comme le goudron. Je crois que c'est d'abord une sensibilisation au niveau de la population qui doit prévaloir. Ensuite, les infrastructures permettant de canaliser les eaux de ruissellement pour qu'ils puissent se déverser soit dans le fleuve Niger ou soit dans un endroit où vraiment cette eau peut être traitée et permettre d'irriguer les différentes rizières qui sont tout autour de la capitale. Ces zones-là, les réactions de quelques citoyens nigériens euh, interrogés euh, ce matin. Le premier sous-thème de ce forum, à savoir la problématique de l'insalubrité dans la ville de Niamey. On va peut-être commencer avec euh, Monsieur le directeur Adam Abdou. quels sont les défis de la ville de Niamey en matière d'insalubrité Oui, je vous remercie je pense que la question de l'insalubrité dans la ville de Niamey est une question récurrente qui devient de plus en plus préoccupante. Euh, je vais dire même que c'est devenu une préoccupation de santé publique. Si on constate la prolifération des déchets dans la ville, c'est une situation qui n'honore personne et c'est une situation face à laquelle nous ne pouvons pas rester les bras croisés. C'est pourquoi je pense que euh, ce genre de débat est à saluer et à saluer surtout si ça permet, en tout cas, de créer le débat, d'ouvrir le débat et d'amener les acteurs à se parler entre eux au lieu de se jeter l'anathème, comme j'ai dû le constater par euh, un des intervenants qui dit que ce n'est pas la faute de la population, c'est la faute à la mairie, c'est à la mairie de se débrouiller pour euh, faire le travail. Là, je pense que celui-là, il mérite réellement qu'on le sensibilise parce que c'est des types de réactions. Il y a aussi un, autre qui dit que la population arrive, a sa part de J'arrive, j'arrive, j'arrive. C'est le type de réaction ou de type en tout cas de mentalité qu'il faut changer. Il est vrai effectivement, euh, j'ai été satisfait euh, à contrario de constater qu'il y a d'autres intervenants qui estiment que la population doit mettre la main à la pâte. Dans l'un ou l'autre des cas, ce que j'ai dis, en tout cas, comme je l'ai toujours répété, je vais continuer à le dire jusqu'à ce que ça devienne une réalité, il est important de créer une synergie entre les acteurs. Et pour créer cette synergie, je dis, il faut, la situation est telle que, comme je l'ai suggéré maintes fois, qu'on organise des débats généraux, d'une certaine façon qui va permettre en tout cas le dialogue entre les acteurs, qui va dresser en tout cas euh, des actions d'urgence qui ne peuvent pas attendre et qui doivent faire l'objet d'une mise euh, en œuvre sans faiblesse. Parce qu'en réalité, dans certaines situations, la situation est telle que ce n'est pas avec le sourire que nous allons résoudre les problèmes d'insalubrité qui se posent dans la ville de Niamey. Oui, on va peut-être revenir vers vous dans un instant. Ousmane Dambaji, le directeur euh, général des services techniques et municipaux de la ville de Niamey, a reconnu que Niamey est sale. Votre commentaire oui, je dois également euh, dire merci au studio Kalangou pour toute la contribution énorme qu'il apporte euh, au, au développement économique et social, plus particulièrement à l'accompagnement des politiques publiques de développement. Particulièrement, nous sommes en train de discuter sur les questions d'assainissement. Évidemment, le directeur l'a reconnu, Niamey est sale, Niamey est très décousu, Niamey ne reflète pas l'image d'une véritable ville africaine, naturellement. Alors, moi, je pense que les responsabilités sont partagées. D'abord, il y a la responsabilité de l'État en tant que tel, et la responsabilité des collectivités qui ont en charge, qui sont le premier responsable des questions d'assainissement, et il y a les responsabilités également de nous autres populations. Évidemment, quand on prend même l'historique de l'assainissement à Niamey, on voit que ça a été déjà faussé, les bases ont été faussées. Sur quelle base Niamey a été construite Ça, c'est un. Deuxièmement, il faut aller voir quelles sont les politiques publiques en matière d'hygiène et d'assainissement qu'on a mises en place pour en finir avec les questions d'insalubrité. Évidemment, il faut aussi voir les populations, quelles sont les actions que nous sommes en train de mener en tant que population pour rendre Niamey belle. Mais évidemment, quand on regarde un peu ces dernières années, on voit un certain euh, nombre d'efforts consentis par l'État du Niger, naturellement en ce qui concerne l'adoption de certains textes euh, réglementaires. Quand vous prenez en 2014, l'État du Niger, a, le gouvernement a adopté la stratégie opérationnelle dirigée de l'assainissement qu'on appelle SOFAP. La stratégie maintenant vient corriger toutes les failles naturellement, quand on parle, il a parlé aujourd'hui des manques de synergie d'action entre les acteurs. Il a parlé de la, facilité des populations d'accès aux infrastructures d'hygiène et d'assainissement, mais également il y a un point qui est très important, c'est justement eh, eh, le partenariat. Comment est-ce que les gens, effectivement, peuvent mobiliser des ressources pour faire Aujourd'hui, Niamey est très sale parce que Niamey ne dispose pas d'un dispositif, évidemment, si je me répète ainsi, de, ramassage d'ordures. Il y a un problème de, de, ramassage, il y a un problème de pré-collecte, il y a un problème, évidemment, votre part des responsabilités, Ousmane Damadji. Vous êtes journaliste, vous êtes aussi acteur de la société civile qui milite dans les questions d'hygiène et assainissement. Est-ce que, quels sont euh, ce que vous allez, vous êtes en train de faire euh, pour un peu appuyer la ville de Niamey Nous sommes en train de faire beaucoup d'activités d'accompagnement il est là, il peut le témoigner. Nous organisons le jeune de différents quartiers pour des journées de salubrité publique, ça on le fait tout le temps. Nous faisons des reportages documentaires euh, sur euh, effectivement la sensibilisation, communication, information pour un changement de comportement, pour que les populations comprennent. D'abord, nous sommes en train de faire le lien entre l'insalubrité et le sous-développement. Nous disons aux gens, si on, est, on vit dans un environnement insalubre, on peut tomber malade à tout moment. Et l'argent qu'on pouvait apporter chez le médecin pour se faire soigner, on pouvait économiser pour réinvestir dans d'autres secteurs. Cela veut dire que si nous pouvons être propres tout le temps, alors on pouvait gagner économiquement. Nous faisons le lien entre l'insalubrité et la lutte contre la pauvreté. Évidemment, aujourd'hui, même le secteur privé qu'on doit sensibiliser pour qu'il vienne en appui aux politiques publiques de ces collectivités-là, en tout cas doit être de mise. Oui, je vais revenir vers vous. Euh, le temps de donner le micro à ma collègue euh, Maria Makenda. Elle, elle doit avoir une question qu'elle va poser euh, au directeur Adam Abdou. Allez-y. Avant de parler de synergie d'action pour pouvoir résoudre ce, problème d'insalubrité à Niamey, je me tourne vers donc le directeur des services techniques et municipaux de la ville de Niamey, Monsieur Adam Abdou. Eh, vous avez parlé, vous avez situer les responsabilités. Vous avez dit que ce n'était pas à la ville de Niamey, euh, seulement à elle de, prendre sur elle euh, euh, ce travail, ce lourd fardeau de rendre la ville de Niamey propre. Dans ce cas, expliquez-nous quelle serait véritablement la part des autorités de la ville de Niamey. Oui, nous l'avons déjà expliqué. Dans la mesure où Niamey est une ville capitale, c'est-à-dire une ville où siège l'ensemble des institutions de la République, il est important, en tout cas, que pour beaucoup de questions, euh, l'État apporte euh, le soutien euh, nécessaire pour prendre en charge, en tout cas, les grandes préoccupations de cette ville capitale. Et à ce niveau, je crois que cette volonté s'affirme de plus en plus à travers en tout cas la création d'un certain nombre d'institutions et la mise en œuvre de projets aptes à soulager en tout cas les autorités municipaux, les autorités municipales du moins sur ces questions-là. C'est notamment, c'est dans cette optique qu'a été créé le programme Niamey Niala, qui est en tout cas en train de déployer des efforts pour soutenir la municipalité dans ce cadre. C'est également dans ce cadre que a été créé le ministère de la Ville et de la Salubrité urbaine, c'est dans ce cadre que l'État a bien le, nouveau ministre qu'on n'a pas beaucoup vu sur le terrain Si, euh, comme vous l'avez dit, c'est un nouveau. Donc, comme c'est le nouveau ministre, quand même, on ne va pas le voir tout de suite sur le terrain. Mais vous, vous faites allusion à Salah Mohamed Salissou Oui, hier déjà, il était sur le terrain et je pense que, je pense que ce qui est important, c'est que, en tout cas, ce ministère-là a été créé et c'est les missions qui lui ont été dévolues sont des missions qui vont pouvoir, en tout cas, soulager beaucoup les autorités municipales. Il y a également, en tout cas, tous ces projets-là, notamment le projet, par exemple, de gestion de risque des catastrophes de développement urbain, qui est un projet qui va financer beaucoup de projets que le budget municipal ne peut pas prendre en charge. Maintenant, au niveau de la... Financé à travers la Banque mondiale Financé à travers la Banque mondiale. Maintenant, les municipalités, eh, dans ce contexte-là, vont pouvoir mieux s'organiser mieux, en tout cas, eh, assurer le relais qui doivent être les siens. Mais à l'heure actuelle, c'est que le système même de, de, de, de déchets, de, la gestion des déchets mise en place, c'est un système qui est dépassé, vu en tout cas l'explosion démographique qu'a connue la ville, vu l'expansion que la ville a eu à prendre, vu en tout cas les ressources que la ville de Niamey mobilise. Et c'est pourquoi, en tout cas... Vous voulez dire que la ville de Niamey n'a pas assez de ressources pour faire face à... La ville de Niamey n'a pas assez de ressources. Puisque de toute façon, bon an, mal an, dans le cadre de la gestion d'une ville, il y a un certain nombre de tâches qui incombent à l'État. Notamment si on prend en matière d'assainissement, le réseau primaire relève de l'État. Et vous avez dû constater que Niamey n'a pas bénéficié, si ce n'est pas ces dernières années, ou en tout cas l'effort de l'État est très visible, en tout cas les infrastructures structurantes. Pendant longtemps, on a estimé que Niamey n'a pas bénéficié d'infrastructures de, euh, structurantes. Mariama, vous avez une question, peut-être Oui, bien sûr. Euh, j'aimerais donc rebondir sur cette question donc, euh, de, poubelle. Et quand on parcourt un peu la ville de, Niamey, on a assez souvent fait des reportages où le constat est fait que c'est comme s'il n'y avait pas assez de poubelles pour, et que les populations devraient peut être retrouvés euh, un peu partout pour pouvoir se débarrasser de leurs déchets, même quand l'envie euh, leur vient. Oui, c'est ce que je disais, c'est pourquoi je dis le système, parce que le système sur lequel était fondée la gestion des déchets dans la ville de Niamey était un système né de, le, des conclusions du premier schéma directeur d'assainissement des années 80, qui a vu d'ailleurs la création du garage communautaire et qui a basé le système de gestion des déchets sur un système de conteneurs répartis au niveau de la ville de Niamey, conteneurs qui sont des points de regroupement des déchets et auxquels s'ajoutent un certain nombre de zones dédiées euh, à recevoir les déchets qu'on appelle les, dépotoirs euh, euh, officiels. C'est donc sur ce système-là que le système est basé. Mais malheureusement, vous avez vu en quelques années les dimensions comprises de la ville et même les parties où ces, ces conteneurs-là sont disposés, et il y a que, il y a une mauvaise utilisation de ces conteneurs. Tu peux trouver le conteneur vide, mais autour du conteneur, il y a tellement donc de, de, déchets. On va revenir à cette question. Euh, euh, on va revenir à ce que le, rôle de la population. On va revenir par rapport à ce point. Ousmane Dambadji, euh, que faut-il faire pour y remédier et, nous étions en 2014, avec l'appui de la Banque mondiale, le ministère de l'assainissement et de l'eau, à, un voyage d'études euh, en Afrique de l'Est, particulièrement à Nairobi, au Kenya et en Éthiopie, où nous avons visité effectivement toutes les installations sanitaires de ces deux pays. Parce que les deux pays ont fait des avancées remarquables et ont atteint quelques objectifs, quelques cibles en matière euh, donc d'hygiène et d'assainissement. Évidemment, nous avons vu comment l'implication du secteur privé est très forte. On ne peut pas réussir dans l'assainissement tant que le secteur privé n'est pas impliqué. Évidemment, dans chaque commune, si on essaye de faire comprendre au secteur privé qu'on pouvait gagner de l'argent dans le domaine de l'assainissement en faisant la promotion du business d'assainissement, évidemment, ça pouvait être réglé. Il a dit, les questions d'assainissement ne sont pas, ne relèvent pas simplement de l'État ou des collectivités. Je l'ai dit, c'est une responsabilité partagée. Alors, avec tous les efforts qu'il est en train de, consentir, avec ce que la commune est en train de faire, on pouvait également impliquer le secteur privé. Si dans chaque commune ou arrondissement communal, on peut avoir deux entreprises privées qui font de l'assainissement leur, et qui gagnent un petit 25 francs en ramassant, on pouvait accompagner la commune effectivement à y remédier. Deuxième élément fondamental, c'est que les collectivités n'impliquent pas le média, alors que c'est une recommandation des Nations Unies par rapport à la cible 2, 6.2 euh, l'assainissement et l'eau, qui dit que si on veut réussir dans les questions de l'assainissement et l'eau, il faut impliquer le média pas en tant qu'observateur, mais en tant que partie prenante dans la mise en œuvre de projets et programmes. Évidemment, aucune commune aujourd'hui n'a un contrat avec une radio de la place. Alors qu'on sait que les, 90% des actions de l'assainissement, ce sont des actions de sensibilisation et d'information pour le changement de comportement. Alors, monsieur, Monsieur Dambaji, Ousmane, vous avez parlé tout à l'heure des entreprises, de, la part de responsabilité de ces secteurs euh, des entreprises qui se trouvent dans le secteur privé. Vous, en tant qu'acteur, donc euh, militant dans ce domaine, journaliste, est-ce que vous êtes euh, allé vers ces entreprises une fois Avez-vous déjà entrepris des démarches pour impliquer ces, ces, ces entreprises Évidemment, en octobre 2015, nous avons lancé un projet où nous comptons mobiliser 3 milliards de francs CFA pour financer des projets d'hygiène et d'assainissement sur l'ensemble du pays. Évidemment, à travers ce projet, nous voulons regrouper des jeunes des jeunes entrepreneurs, les orienter vers les banques de la place pour pouvoir avoir des financements et aller dans le sens de, l'entrepreneur privé dans le secteur de l'assainissement. Des études ont démontré un franc investi dans l'assainissement, on pouvait gagner 10 autres francs supplémentaires. Donc on pourrait également gagner en termes économiques et en termes de lutte contre la pauvreté. Ousmane Damadji, on va passer la parole une minute pour s'expliquer par rapport au comportement de la population. Quelle est la contribution de la population pour faire face à l'insalubrité grandissante dans la ville de Niamey, monsieur le directeur oui, nous, nous, la contribution de la population est, Très Elle, est capitale, puisque tout le temps que eh, la population ne participe pas, considère que les déchets, dès arrivés à leur porte, n'est plus leur déchets, nous ne pouvons pas eh, régler la question. Tout à l'heure, je disais au niveau des conteneurs que nous avons placés, il n'est pas rare de voir généralement que les déchets sont disséminés autour du conteneur alors que euh, le conteneur est pratiquement vide. Parce que c'est quoi c'est en réalité C'est parce que les populations considèrent que les déchets, c'est tellement négligeable que ce soit aux enfants qu'on donne la tâche d'aller jeter, c'est-à-dire on ne veille pas au grain on a l'impression que on peut dire. Aux oui, monsieur le directeur, tout à l'heure, Dambaji disait que vous n'impliquez pas les médias. Quelles sont les actions que le, la ville de Niamey compte entreprendre pour pouvoir lutter contre ce, comportement Oui, c'est pourquoi je disais, face au constat de l'échec en tout cas, ou en tout cas de l'insuffisance de la capacité de l'ancien système à faire face au problème des déchets, nous avons en tout cas des initiatives voit, que nous sommes en train de promouvoir et qui va pouvoir en tout cas changer la situation. C'est ainsi qu'on a fait une étude avec l'appui de Oxfam Québec pour organiser le premier maillon de la gestion des déchets, notamment la précollecte. Et dans ce premier maillon, nous avons indiqué clairement le, le, rôle prépondérant que va jouer en tout cas le secteur privé, notamment les ONG, les JE. Et d'ailleurs, on a vu un changement, c'est devenu un métier les précollecteurs maintenant, c'est devenu un petit métier que n'importe qui exerce comme il exerce comme le porteur d'eau. Et je pense qu'à ce niveau, nous, nous avons indiqué également que la question de la sensibilisation euh, de la population est très importante. Donc, il y a un volet sensibilisation qui va accompagner toutes ces actions. Merci, messieurs. On poursuit ce débat dans un instant. Le deuxième sous-thème de ce forum est la problématique de la gestion des déchets urbains de la ville de Niamey. Adam Abdou, que devient euh, tous ces déchets ramassés chaque jour dans la ville de Niamey Vous savez que la gestion des déchets, c'est une chaîne. Tout à l'heure, nous avons dû insister un peu sur euh, la chaîne de la précollecte. Il y a maintenant la chaîne du transport et de l'élimination. Euh, parmi les faiblesses qu'on remarque également sur la gestion des déchets de notre capitale se trouve être surtout le maillon de l'élimination. Jusque-là, en tout cas. L'élimination, c'est-à-dire l'élimination finale, là où le déchet chute, où on considère que le déchet est parti. Nous avons euh, des anciennes décharges, des anciennes carrières qui sont utilisées pour éliminer les déchets dans des conditions qui ne sont pas appropriées dans la mesure où, en tout cas, ces déchets-là sont jetés en vrac. Et on, constate même que dans certains cas, les déchets n'arrivent même pas dans ces anciennes carrières, chutent dans les champs ou dans d'autres espaces, en tout cas libres, aux environs de la ville. la ceinture verte a été particulièrement victime de cette pratique-là. En parlant, euh, il faudrait que peut-être nos éditeurs me comprennent. Je brosse ici une situation euh, technique de, la, de, la, de ce que je suis en train de dire. Je suis en train de parler en tant que euh, en, tant que technicien, je n'ai pas euh, la, prétention ici de venir défendre pour dire que la situation est rose, et la situation est clean, que la situation est vraiment est belle. Donc sur ce point là ce n'est pas ce n'est pas du tout une démission. Je vais simplement dire les choses telles que ça se présente pour faire les, les solutions. C'est à ce titre que nous avons proposé la création de deux décharges municipales, que la ville de Niamey a euh, en tout cas déjà payé les deux terrains pour créer des décharges modernes parce qu'on ne peut pas organiser efficacement l'élimination des déchets si on ne prévoit pas en tout cas cette, euh, cette partie finale, c'est-à-dire l'élimination hygiénique des déchets. Ousmane Dambaji, vous êtes journaliste. Euh, éclairez la lanterne des populations en ce qui concerne les termes techniques développés par monsieur le directeur des services techniques et municipaux de la ville de Niamey. Oui, je dois d'abord ajouter que en 2012, une étude de la Banque mondiale avait relevé que chaque année, pour mauvais assainissement, nous perdons 75 milliards de francs CFA chaque année. C'est des suites de mauvais assainissement. Et en 2012, on peut estimer la production ou les déchets que la ville de Niamey produisait jusqu'à 900 euh, euh, tonnes par jour. Et la ville de Niamey n'a que les possibilités de faire euh, évacuer 200 à 300 tonnes. Donc, ce qui veut dire que chaque jour que Dieu fait, avec ce que le directeur vient de dire, on vit avec 600 tonnes supplémentaires. Et avec, comment il appelle l'espagnol, comment on appelle ça là euh, l'agrandissement de la ville, donc ça devient un problème. Mais il faut aussi préciser que l'État, dans euh, l'État, dans effectivement euh, la gestion des, collectivités, parce que nous sommes dans un système de décentralisation, il faut dire que l'État a concédé l'impôt de moins de 5 millions aux collectivités pour qu'elles puissent être capables de gérer les questions d'assainissement. Et quand on parle de déchets tout à l'heure, il faut nuancer. Il y a les déchets liquides il y a les déchets solides. Les problèmes qui se posent aujourd'hui, je peux balayer devant ma porte ou devant ma boutique, je mets dans la poubelle. Alors souvent, il manque un dépotoir dans le quartier où quand on ramasse les poubelles pour aller décharger. Et évidemment, c'est là où le directeur parle souvent, il y a des gens qui déversent les déchets par terre, donc le chien sauvage. Souvent, c'est parce que le dépotoir est plein, la mairie qui a la charge de venir aller déverser à la décharge finale ne le fait pas, se plaint, d'autres déversent. Et d'autres aussi, c'est par méconnaissance, c'est par incivisme que les gens déversent le déchet, souvent au niveau du dépotoir. Alors, quand se plaint, c'est, comme l'a dit, c'est une chaîne. La mairie doit prendre pour transporter à la décharge finale. Donc, c'est pour vous dire que il y a beaucoup de choses qui jouent dans, dans, dans, la gestion de cette affaire. Aujourd'hui, c'est honteux qu'on dise que Niamey ne dispose d'aucune usine d'épuration de eaux usées. Toutes on, oh, oh, les eaux. on a déjà un point concernant. Euh, Mais aujourd'hui, je, m'excuse, hein, le directeur qui est là, plusieurs fois, on est sorti avec lui le dimanche dans le, dans le quartier. On parlait nous-mêmes pour montrer aux gens le bon exemple. Mais ce qui est, ce qui est dérangeant, excusez-moi du terme, j'étais vraiment dessus quand je vois l'endroit le plus sale de Niamey, c'est les déventures de chez le maire central. Ça, je l'ai dit les devantures du domicile du maire central, c'est l'endroit le plus sale Ça fait l'objet de, reportages de Justement, de médias comment comprendre Récemment, on était en réunion avec le WSCC dans le cadre des de, Fonds mondial pour l'assainissement, mais c'était catastrophique parce qu'on avait fait un déclenchement institutionnel permettant aux, institutions et aux partenaires de comprendre c'est quoi l'assainissement. On a fait, comme il a dit, de beaux investissements. Les communes font, l'État a fait, les échanges et autres là. Mais c'est pas bon qu'on voit tout le temps des ordures qu'on n'arrive même pas à, décharger. Donc je pense que là, il faut euh, vraiment euh, qu'on sensibilise les gens, qu'on travaille ensemble, qu'on la synergie. On va aller vers euh, Mariama, ma collègue, qui a certainement une question à poser à, une, un de des, invités. ma question va à l'endroit du directeur Adam Abdou. Et il a parlé tout à l'heure des terrains, de deux terrains qui ont été achetés pour euh, donc euh, euh, permettre d'avoir un site où on, on pourrait peut-être évacuer de façon définitive ces déchets Est-ce que on pourrait avoir quand même une indication de ces deux terrains, de ces deux sites Oui, nous avons acquis deux sites. Un site à une trentaine de kilomètres de Niamey dans la commune rurale de Karma et un autre site d'une cinquantaine d'hectares à la rive droite. Donc c'est des terrains que nous avions acquis afin en tout cas d'aménager des installations pour l'élimination finale et qui pourra même être des sites d'accueil des usines de traitement des déchets, notamment solides. pour les déchets liquides, en tout cas avec la Banque mondiale, il y a une usine de traitement des bouts de vidange en construction, ou en tout cas le projet va incessamment démarrer. C'est pour dire donc que des préoccupations que observent les populations ne sont pas méconnues des autorités, des solutions sont en train d'être apportées. Et pour les déchets, rien que cette journée, j'ai passé toute la journée à avoir des rencontres avec des partenaires avec lesquels nous sommes en train de discuter pour voir comment de façon urgente intervenir pour euh, le ramassage des déchets, leur élimination et surtout leur valorisation. Parce que quelque part, quand on dit ordure, certains pensent que c'est de l'ordure. C'est seulement ici que souvent les gens pensent que les ordures, c'est des déchets. En réalité, dans beaucoup de pays, à l'heure actuelle, on transforme la, fatalité en opportunité. Leur valorisation constitue un véritable moteur économique et je crois que ce n'est pas chez nous où on a besoin de main-d'œuvre, on a besoin de, travailleurs, on a besoin de créer de nouveaux emplois, de nouvelles ressources économiques que nous allons cracher sur une telle opportunité. Euh, Dambadji, vous avez quelques réactions par rapport à l'intervention du, directeur Adam Abdou Non, je, soutiens ce que le directeur vient de dire parce qu'il faut préciser que depuis son arrivée. Oui, à la direction technique, en tout cas, nous avons, euh, nous, en tant que journalistes du secteur, parce que nous suivons les engagements, nous suivons les collectivités, en tout cas, nous avons vu un certain nombre d'actions qu'il est en train de mener personnellement. À chaque fois, il est à notre écoute, on l'appelle. En tout cas, je vois un certain, euh, un certain nombre d'engagements et de détermination à pouvoir en finir avec euh, le chef de la ville de Niamey. Mais il faut dire que beaucoup reste à faire et il faut véritablement impliquer le média. Les médias doivent être des acteurs incontournables dans la sensibilisation, l'information euh, effectivement de ce qui va se passer en termes de projets et programmes. Et je suppose que on pourra ensemble, comme la part de synergies d'action, il ne faut pas faire des actions euh, dispersées, il faut coordonner pour que nous puissions vraiment ensemble finir avec l'insalubrité au niveau de Niamey. Il est 18h passé de 44 minutes. Le forum continue sur le Studio Kalangou. Notre troisième sous-thème de ce forum traite de l'insuffisance du caniveau dans la ville de Niamey. Monsieur le directeur, qu'est-ce que la ville de Niamey attend euh, pour curer, quelques, pour les quelques caniveaux à temps chaque année vous savez, euh, en arrivant ici, lorsqu'on devait parler de la question de l'assainissement, de l'insalubrité, euh, il était important de préciser que quand on parle d'assainissement, et dans l'élaboration des politique, euh, euh, en tout cas dans le secteur à Niamey, l'accent doit être mis sur, deux aspects, euh, sur trois aspects, à savoir la gestion des déchets solides, la gestion des eaux usées et le drainage des eaux pluviales. Et il y a une corrélation très forte entre ces différents aspects. Aujourd'hui, on peut parler d'insuffisance des caniveaux à deux niveaux l'insuffisance du point de vue de leur partition géographique. Comme j'ai eu à vous le dire, que la ville de Niamey a cessé de bénéficier, en tout cas d'infrastructures d'envergure en matière de drainage des eaux pluviales depuis, en tout cas, euh, des années. Aujourd'hui, les infrastructures de drainage des eaux pluviales euh, ne dépassent guère le cordon boulevard Malibéro, la couronne boulevard Malibéro, qui sont des réalisations qui ont été faites euh, à l'occasion, en tout cas, du premier schéma directeur d'assainissement de la ville de Niamey, qui a coïncidé avec la décennie, euh, de, la décennie internationale de l'eau et de, l'eau potable et de l'assainissement, qui a permis vraiment la réalisation de beaucoup euh, d'infrastructures en matière de drainage des eaux pluviales. À l'heure actuelle, euh, les infrastructures d'assainissement qui ont été prévues par le deuxième schéma directeur de 2000 n'ont pas connu de mise en œuvre. Et pourquoi, monsieur le directeur euh, Faute de, de, de, de, financement, parce que ça coûte cher. Mais comme j'ai eu à vous le dire, les problèmes sont connus des pouvoirs publics. C'est pourquoi aujourd'hui, dans le cadre de la mise en œuvre du projet de gestion des risques de catastrophes et de développement urbain, beaucoup d'options qui ont été prévues par ce schéma directeur vont voir le jour en matière d'assainissement. Monsieur, le, directeur, nous avons constaté que au niveau des quelques caniveaux qui existants, euh, la ville de Niamey met du retard. et attend finalement après l'installation de la saison pluvieuse pour curer les caniveaux. Nous Pourquoi avons quand même commencé depuis longtemps le curage des caniveaux. Il y a simplement que pour certains cas, la, la dimension même des caniveaux est très restreinte. Et il y a un autre phénomène qui fait que le fonctionnement des infrastructures d'assainissement euh, rencontre d'énormes difficultés dans notre ville parce que c'est un autre fléau. Parce qu'en parlant d'insalubrité, il ne faut pas, il faut voir et seulement les, déchets solides qui se retrouvent créés euh, par, par les déchets solides, par les eaux usées, mais aussi les, les, les objets encombrants. Notre capitale est célèbre si je peux dire là-bas, mais malheureusement pas dans le sens en matière d'occupation anarchique du Mariam, vous avez une question Oui, mais on trouve aussi des, caniveaux à ciel ouvert ou des caniveaux qui ne sont pas peut-être construits dans les normes, excusez-moi du terme. Est-ce que tout cela ne constituerait pas un véritable problème Faute de moyens, faute de moyens, parce qu'un caniveau enterré coûte cher. Donc euh, il faut faire des caniveaux à ciel ouvert qu'on peut, dont le coût est supportable. Mais même les caniveaux à ciel ouvert, bien entretenus, avec un minimum de discipline, on peut résoudre le problème de drainage des eaux pluviales. C'est clair. Mais je suis d'accord que certaines infrastructures ne sont pas adaptées à notre contexte. Parce qu'il faut accompagner la construction de ces caniveaux-là par des, des, opérations de, pavage des, des, accotements des maisons jusqu'au caniveau et tout ceci parce que souvent, c'est le sable drainé par les eaux pluviales qui bouche finalement les caniveaux. Donc c'est tout un programme, mais je pense que avec la synergie dont j'ai parlé, avec la participation de tous les acteurs, avec en tout cas la sensibilisation comme j'ai eu à le dire, comme euh, a eu à le dire, et il est, on va pouvoir euh, en tout cas minimiser les effets que nous constatons. Dans la mesure où euh, aujourd'hui les autorités au plus haut niveau ont décidé que nous allons mener des actions, en tout cas de dégrépissement, de nettoyage de la ville, parce qu'aujourd'hui, l'anarchie qui, règne dans l'occupation du domaine public constitue un des fléaux nous allons revenir qui, vers qui est un frein, en tout cas, au bon fonctionnement des infrastructures On va revenir vers vous euh, le temps de donner la parole. Euh, Ousmane Dambaji, vous êtes journaliste. Vous venez là euh, d'écouter l'intervention du, directeur des services techniques et municipaux de la ville de Niamey. Votre réaction par rapport à la problématique de l'insuffisance des caniveaux Le directeur a retracé vraiment tout le goulot d'étranglement de cette affaire. Et, moi, je pense qu'il faut que les gens le comprennent. Les collectivités ne disposent d'aucune ressource si ce n'est pas le taxe et l'impôt. Et aujourd'hui, des études ont démontré montrer que les jeunes ne payent pas les impôts, les jeunes ne payent pas les taxes. Dans toutes les collectivités du Niger, vous n'avez pas une commune aujourd'hui qui peut recouvrer les taxes et impôts à au moins 5%. C'est pas possible, les jeunes ne payent pas. L'incivisme fiscal, il est là. Donc on ne peut pas faire des investissements tant que la commune n'est pas capable d'avoir des ressources euh, supplémentaires qui, qui viennent des impôts. Autre chose également, il faut qu'il y ait de la vision, de la stratégie et des changements du paradigme de 2000 à aujourd'hui, si on a une nouvelle vision des choses, on pouvait dire, euh, maintenant à partir de 2000, on ne peut plus vendre un quartier, on ne peut plus faire de lotissement tant qu'on ne prenne pas en compte les infrastructures d'hygiène et d'assainissement. On a vu le cas de Kwarakano, l'un des quartiers IP de Niamey, où les patients ont été vendus très cher, très cher, tenant compte effectivement de ces dispositifs-là, mais les gens, il n'y a rien qui a été fait. À qui la faute mais c'est ça, c'est la collectivité. C'est la collectivité du moins. Aujourd'hui, tous les problèmes, c'est Kwarakano. Alors que les gens ont payé des parcelles très chères. Moi, je pense que les collectivités doivent, avoir des visions, doivent avoir des stratégies pour pouvoir maintenant, on peut se donner un deadline. À partir de telle année, on ne peut plus vendre des parcelles, on ne peut plus faire des lotissements tant que il n'y a pas eu de dispositif qui était prévu de canalisation des eaux. Ou bien, on peut intégrer dans les parcelles que le gars va payer. Il y a plein de choses qu'il faut faire. Moi, je crois que ça a besoin de réflexion, ça a besoin des idées nouvelles pour pouvoir aller l'avant. Allez-y, Mariama, vous avez une question Le directeur a parlé tout à l'heure, le directeur Adam Abdo a parlé tout à l'heure d'une anarchie, donc l'installation anarchique. Euh, cette installation anarchique est la faute à, qui Parce que quand on s'adresse la plupart du temps à ces, marchands qui sont installés un peu partout, ils disent que eux ils ont l'autorisation des autorités de la ville de Niamey. Très peu ont des autorisations. C'est vrai, il y a un certain nombre d'autorisations qui ont été données, mais il y a que souvent, même quand la personne a l'autorisation, il outrepasse cette autorisation-là. Il augmente au fur et à mesure jusqu'à devenir sur la chaussée. Moi, je crois que c'est un débat qui doit être, euh, euh, vous devez, on devait peut-être le consacrer toute une émission. parce que la question de l'occupation de domaines et de méfaits que ça crée pour notre ville est une question très importante. je, je profite de l'occasion pour bondir sur ce qu'a dit Dambaji. Je pense qu'effectivement, aujourd'hui, euh, face à l'urgence que pose l'insalubrité de la ville de Niamey, on est tenté de ne pas s'occuper d'autres problèmes. Mais en réalité, il est bon de ne pas les occulter parce que c'est des problèmes qui nous attendent. Aujourd'hui, le mode d'urbanisation, le laisser aller, observer dans le développement urbain de la ville de Niamey, effectivement, c'est une question qu'il faut prendre en charge. Et moi, j'ai bon espoir que, vu les volontés qui sont en train d'être affichées, la question de l'insalubrité, de la gestion des déchets va très vite être maîtrisée pour qu'on s'attaque aux autres grands euh, euh, défi que pose l'urbanisation de la ville de Niamey. Aujourd'hui, l'urbanisation de la ville de Niamey, au-delà de la couronne, de la nouvelle rocade qui a été faite, au-delà de la ceinture verte, nous avons perdu les repères du développement de la ville de Niamey. Et il faut les corriger. Autrement, nous allons, euh, nous allons créer un, un, piège au niveau de dans les années à venir. La ville de Niamey deviendra un piège dans la couronne euh, en dessous de la ceinture verte. il faut, il faut, il faut résoudre ces problèmes-là. Monsieur le directeur. C'est parce que les urgences sont là qu'on a tendance à ne pas vouloir les aborder. Mais on va les aborder, il faut les aborder, puisque de toute façon, c'est lié. Je vous ai dit tantôt que euh, l'expansion de la ville de Niamey, le fait que la ville de Niamey a pris des expansions très grandes, a fait que les, les, les, les problèmes ne sont pas à l'échelle d'une petite ville. Et maintenant, ce n'est plus à l'échelle d'une ville, c'est à l'échelle d'une d'une zone métropolitaine. Parce qu'aujourd'hui, il y a des problèmes que connaissent la ville de Niamey, qui ont leur source dans certains euh, établissements humains qui sont aux alentours. Toute cette connexion-là, il faut les mettre, il faut les analyser pour pouvoir euh, aborder véritablement les problèmes européens de la ville de Niamey. Vous avez peut-être un mot à ajouter rapidement. Oui, le mot que je dois ajouter par rapport toujours à la gestion des déchets. Imaginez un moment, vous avez des ordures devant la présidente de la République. Comment est-ce que vous pouvez comprendre des ordures devant la présidence de la République d'un pays Le ministère de la Santé, qui est censé mettre en place des politiques d'hygiène et d'assainissement, vous avez des ordures. Cela veut dire que eh, c'est un comportement. Et moi, je pense que les populations doivent comprendre. On ne peut pas se développer tant qu'on ne peut pas être propre. Le premier indicateur de sous-développement, c'est l'insalubrité. Et justement, je crois que, comme le, directeur a dit, on est en train de faire des, des, différentes politiques publiques de développement pour pouvoir accompagner le système, amener les gens à comprendre l'importance, les liens entre l'insalubrité et la lutte contre la pauvreté. Mieux, vous avez aujourd'hui à l'hôpital national de Niamey, normalement c'est dit, la loi l'a dit, dans toutes les, les, dans toutes les industries ou dans toutes les, grandes multinationales qui produisent des déchets, il y a, une, il y a un traitement des eaux usées avant de les déverser. Aujourd'hui, du SLC, qu'est-ce qui coule Tous ces trucs des, parties, excusez-moi, humaines qu'on coupe sans traiter qui va dans le fleuve Niger. Qu'est-ce qui tu dis que les brasseries qui, qui envoient Et alors que l'eau du fleuve Niger, c'est des populations riveraines qui boivent l'eau. Dambaji, nous allons aborder notre quatrième et dernier sous-thème de ce forum qui s'intéresse aux questions urgentes face au récurrent phénomène d'inondation dans certains quartiers de la ville de Niamey. Euh, monsieur le directeur, on va euh, euh, commencer avec vous. Depuis 2012, chaque année, plusieurs quartiers de la ville de Niamey subissent des inondations. quelle réponse pour faire face à, à ces phénomènes je crois qu'en filigrane, j'ai déjà eu Rapidement euh, En filigrane, j'ai déjà eu rapidement à en parler. Je vous ai dit que face à ce, à ce phénomène-là, à ce fléau, l'État du Niger a décidé de monter le projet gestion des risques de catastrophe, qui est un projet de la Banque mondiale d'une cinquantaine de milliards et qui intervient dans les régions rivières du fleuve et du bassin du lac Tchad pour faire face aux récurrents problèmes d'inondation. À Niamey particulièrement, en tout cas, ce projet est en train de financer des actions très importantes de grande envergure qui va pouvoir minimiser qui vont pouvoir minimiser en tout cas eh, les problèmes d'inondation. C'est le cas du rehaussement des digues, en tout cas la construction des digues, c'est le cas de la réhabilitation de, de, de, beaucoup d'infrastructures et de la construction des collecteurs dans des, bassins versants très sensibles de la ville de Niamey. vous avez une C'est le bassin versant notamment euh, de, de, Vous savez, là-bas, c'est très sensible. De la rive droite, de Saga, de Kwarkanon. dont vous avez évoqué tout à l'heure, du reprofilage de, de, de, sur 9 km. toute action, en tout cas, que nous ne pouvons pas financer sur le budget la municipalité. C'est vrai que Niamey est la capitale donc du Niger. Est-ce que là vous avez peut-être un plan pour les autres régions On parle peut-être d'Agadez ou d'Arlit où on parle à chaque fois euh, d'inondations. Oui, bien sûr. Je dis que ce projet-là intervient dans les quatre les régions riveraines du fleuve qui ont connu les inondations et le bassin du lac Tchad, puisque là également. Et je pense que euh, ce projet-là, c'est un projet d'envergure nationale mais qui intervient, comme je dit, dans les zones sensibles. La création du ministère de la, ville et de la salubrité urbaine va prendre en charge toutes les questions qui se posent dans les grandes villes du Niger. Donc ce n'est pas seulement Niamey. Il est vrai que Niamey c'est plus accru, mais c'est dans toutes les, grandes villes du Niger. Ousmane Dambadji, depuis 2012, euh, chaque année, euh, plusieurs quartiers euh, de Niamey font face à, ce phénomène d'inondation. peut que faire pour faire face je vois le problème à deux niveaux. C'est pas le problème. Oui, c'est pas le problème de la collectivité. L'État est en train de faire des efforts inestimables, le côté est en train de faire, mais il y a le comportement des populations. Souvent, même s'il y a euh, le, truc de drainage des eaux, les gens mettent des ordures et ça devient, ça, ça se bouge. Autre élément, comme tu m'as dit rapidement, c'est le facteur de changement climatique. Ça fait des années les pluies maintenant ont doublé ou ont triplé. Au lieu que la pluie vienne sur trois mois bien stabilisée, la pluie maintenant elle vient sur un mois et ça, ça, ça déborde. Vous avez une minute Moi je pense que oui. Il va falloir que nous adaptons nos types de construction au, au, changement climatique. C'est-à-dire, euh, nous construisons n'importe comment, en matériaux précaires. Il va falloir que maintenant, nous disons, écoutez, les pluies viennent abondamment. Il va falloir que nous faisons les constructions en matériaux définitifs. Et aujourd'hui, tous les quartiers qui connaissent ces, inondations graves, c'est des quartiers qui ont été euh, construits en matériaux précaires. Et je pense que les urbanismes, les, urbanistes, ou comment on les appelle, c'est ne sais pas excusez-moi, la collectivité et l'État doivent voir dans quel domaine on peut faire des investissements tenant compte des changements climatiques, tenant compte effectivement de tous ces aspects pour que les, activités euh, ou bien les infrastructures soit durable. Monsieur le directeur, euh, euh, vous avez 15 secondes pour clôturer. Euh, merci Radio Kalangou et accompagnez-nous Studio Kalangou. Merci pour nous cet accompagnement. Nous pensons que si vous nous donnez l'occasion, en tout cas, on va vous donner au fur et à mesure l'avancement des actions et des réflexions pour la gestion, l'amélioration de la situation de la salubrité dans la ville de Niamey. Nous sommes au terme de ce forum du studio Kalangou. Nous étions avec euh, Adam Abdou, directeur des services techniques et municipaux de la ville de Niamey, et Ousmane Dambadji, journaliste, président du Rajed et du Régia. Merci à vous de l'avoir suivi et merci de votre fidélité au programme du studio Kalangou. Au revoir.